Nous, nous leneen lu remettre ñu droit location bi le mètre carré nous nous 144 francs Nous ñëw en 2018 nous révisé ko 250 francs aujourd'hui il nous parle de 2500 francs le mètre carré 2500 mètres francs mètre carré Quand on a monté fait tu es 100 100 mètres carrés 250 000 francs ngay fay.

le DG des chemins de fer du Sénégal nous avons appelé à la raison nous avons appelé à la raison parce que nous ñun pas ay sénégalais donc nous avons appelé à la ko Nous ñun appelé à la raison. Nous avons appelé à doxal donc il faut que nous prenions le juste milieu nous avons appelé à la ba pare tas ay famille parce que ñaata famille ñoo fi yeewu ñaata emploi ñoo fi aujourd'hui nous ngi appelé nit ñi bu jël parce qu'aujourd'hui même le phénomène de Nicaragua bi ñuy c'est pas tout simplement ce n'est plus les jeunes c'est les adultes parce qu'ils n'ont plus l'assurance ces jeunes aujourd'hui ñun ay créateurs de valeur ajoutée nous dañuy fay suñuy taxe di fay suñuy impôt di fay taxe nous fay lépp ay morom ndaw on a commencé on a on a adhéré à ce plan de morcellement là bi may am 24 ans ak samay morom les autorités de Tamba dañ leen on a senti personne derrière nous le premier qui l'a fait, c'est le président du conseil départemental, pour s'acquérir de la situation. Il nous a appelés, on a discuté. Nous avons Tout récemment, hier, on a, le préfet nous a reçus. On a discuté avec lui. Mais nous, on, nous, nous, nous, nous On l'acceptera jamais. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, il faut que l'autorité sache ko nous ñun duñu duñu nous sacrifier non on est des locataires dañuy fait une location ils n'ont qu'à aujourd'hui ñi nga des détails. Euh, impact nañ le dans les cantine ils ont de l'espace ici ils n'ont qu'à les recaser Nous indemniser les ñi nga xamante ni c'est des c'est des occupants actuels Nous allons contrat contrats sérieux fiable ñu ñu discuter ensemble parce qu'il faut ah, un un accord nous ñom ñooy ñëw décider changer règle règles. non dañ koy waxtané ñu vraiment sur une table de négociation Nous ñew ñu sur la supervision des autorités autorités nous ñu jël sen ñu